À l'instar de plusieurs localités de la région, les habitants du village de Boucherie dans la commune rurale de Kolaram ont organisé ce vendredi une séance de lecture des Saint-Coran suivie de marches et meetings pour affirmer leur soutien aux autorités de transition, au premier rang desquelles le général de brigade Abraham Chani, président du CNSP, chef de l'État. Dans une déclaration lue par un des habitants, les populations de Boucherie exigent des autorités. La population des villages de Boucherie décide de rendre publique la déclaration donne les teneurs suivantes. Condamnant sans réserve l'attitude provocatrice de la France et de la CDAO en peine de déstabiliser le Niger en, complicité avec certaines traîtres nigériennes. Mais en garde la CDAO la France et l'Union africaine contre toute éventualité intervention au Niger qui risquerait de remettre en cause notre souveraineté nationale. 8. Demander au CNBDV de redoubler d'efforts afin d'atteindre l'objectif de tous les Nigériens et des Africains en particulier qui qui est notre indépendance totale. Cette activité entre dans le cadre de l'initiative des jeunes leaders engagés pour soutenir le CNSP dans la région du Zender. Nous sommes invités pour soutenir le soutien au CNSP par la population de Boucherie. Et nous soutenons à 100% sans réserve pour un avenir meilleur. Et nous souhaitons une chance meilleure au CNSP pour notre indépendance totale. Et nous remercions l'ensemble de la population de Boucherie pour leur courage indéfectible afin de soutenir ce régime et nous souhaitons que, que ça soit une chance meilleure pour le Niger. Nous sommes engagés et Inch'Allah, nous allons continuer dans tous les villages, tous les communes, tous les départements afin d'atteindre notre objectif. Le maire de la commune rurale de Gouna a aussi jugé utile de se joindre à la population du Bauchiri dans le cadre de cette lutte pour la souveraineté du Niger. gaskiya alhamdulahi an yi karatu na alkur'ani kuma an yi addu'o'i kuma allah saka alheri allah sa wannan addu'o'in amsassu ne kuma yadda muka ga haɗin kai na al'umma gaba ɗaya tun daga dattijawa ga matasa ga al'umma gaba ɗaya da maza da mata da yara alhamdulahi alhamdulahi mun gode mun gode mun gode La population de rejette les sanctions injustes et injustifiées de la CDAO qui ne font que compliquer la situation déjà précaire du train de vie des Nigériens.